Deux morts, des blessés et des interpellations, c'est le bilan des manifestations survenues lundi après-midi dans la capitale sud du pays. C'est suite à la décision du doyen des juges sur l'affaire du leader du pasté Ousmane Sonko, maire de la ville de Ziganchor. Parmi les victimes, Mustafa Badji, marié et père de deux enfants. Tafa, comme l'appelle affectueusement ses parents, fut un homme très courtois, témoignent ses proches. C'est un sérieux. Hein. Il a, fait l'armée, l'armée sénégalaise ici. Ensuite, il est devenu taximan. Il était courtois, gentil avec vous. Bien sûr. La douleur est très immense à la famille Badzi de Belfort, un quartier de Ziganchor. Bon, oh, tu as vu, toute la famille est là. Malgré qu'elle ait remis tout entre les mains de Dieu, la famille réclame tout de même toute la lumière sur la mort de Mustapha. La deuxième victime, dont l'identité n'a pas été révélée jusque tard dans la soirée d'hier, a succombé à ses blessures aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor où elle était admise. ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan ñeneen ñu jëlee ci ay gaañu gaañu ak nit yi nga xamante ne jot nañ leen teg loxo loolay bilan yu manifestation yu amoon leen di bile ca bëtu saalum réew mi loolee mu ngi am ginnaaw décision bu doyen des juges ci mbirum leader bu Pastef di Ousmane Sonko di jaraaf bu Ziguinchor ci ñu ñàkk seen bakkan Moustapha Badji si la bokk tey te it papay ñaari xale Tafa ko nu ko ay ñoñom di woowee nekkoon na ab ndaw bu baax lool. ñu quoi. c'est un gros sérieux hein. il a il a fait l'armée l'armée sénégalaise ici. il était courtois gentil avec vous. bien sûr. métit gi xëy na lool ca biir famille Barsi bu Belfort di ab quartier bu tu as vu toute la famille là. lii moom dañ ko a fàtte di si a même su fekkente ne teg nañu lépp ci loxo yi suñu borom famille bii di réclamer ñu andi leeral ci jënum àdduna bu Moustapha waaw il faut ñu xam mu def si bu leer nañ ñu mun a xam naka la. ñaareel nit ki nga xamante ne ñàkk na ay bakkanam kooke ba démb ci guddi révélé wuñu li nga xamante ne moo di identité am moom moomee mu ngi ñàkk ay bakkanam ca biir urgence bu l'hôpital régional bu Ziguinchor ginnaaw buñ ko fa rawalee.